bureau de ko gis feneen ak feneen d'ailleurs ça, Aliou n'a pas temps de géejawaay tout le monde le sait la plupart des projets qui sont c'est des projets au niveau de l'état central mais Aliou Sall ne gère pas géejawaay parce que tout simplement comme j'ai dit xam nga ville beaucoup ko gère, gérer faut nga am attache ville Moi, je suis la première personne à dire que Aliou Sall c'est non seulement un maire importé mais il doit repartir je suis toujours dans cette position là xam nga dafa doy war li am ci réew euh, en 2012 on ne te connaissait pas après 2012 sa frère n'est que président je l'ai dit partout nga ñëw imposer fenn fa xam tu t'es dit que écoutez mën naa imposer ci parce que tout simplement au niveau euh, de mon parti qui est l'APR n'y a pas un responsable digne de ce nom de ñëw diriger l'APR c'est ça qu'il a fait en premier Et ça, c'est regrettable, parce que quand même, le président Macky Sall a eu un score assez important en 2012 et des jeunes des femmes et des hommes de Guédiaway ñom ñoko ñafé won ba mu am lolu tay tay bu Aliou Sall en premier ba leen fi fi donc lolu déjà c'est quelque chose à déplorer bu wesso lolu au-delà même de la gestion du maire Aliou Sall à Guédiaway mais posture c'est terrible dans ce pays-là imaginez la caisse de dépôt et de consignation comment une structure de cette dimension nous sommes le petit frère du président de la république Moi, je signal mandat euh, ñi nga xam ni, euh, euh déposer caution pour présidentielle je rappelle que qu'il gère des centaines de milliards yi c'est hors contrôle du système de contrôle de l'État amul ben ci système contrôle État bi bu ko c'est le président Macky qui l'a fait et c'est dangereux pour le pays mais quand même il n'y a pas de souci ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent

xam nga mais je te rappelle une chose euh, la gestion d'une mairie collectivité territoriale décentralisation la da ngay proche avec la population sur ce aussi pour moi, dama c'est important nga une histoire am benn attache la population c'est ce qui n'est pas le cas xam nga ay fii la juddoo ñek fay juddoo ñun ñi nga xam ne nii ñoo ñoo mujjee juddu peut-être ñun ñoo juddoo way mais la plupart juddoo wuñu way les nos aînés donc du problème mu judo, mais problème mu attache la def ci population bi gëm population bi gëm terre bi c'est ce qui n'est pas le cas chez Aliou Sall mais quand même pour man c'est pas important comme j'ai dit il est maire mais yàggatul tout ça va changer et les populations de Guédiawaye tu nañ peux pas te cacher derrière une liste Beno Bok Yakar. Nous la la liste je rappelle également que cette liste a été coordonnée par le président Gakou les populations de Guédiawaye ont fait confiance au président Gakou Mais nous xam ni sommes le coordinateur de Benno Bok Yakar. à l'époque en 2014 nous fall la liste Nous profitons avec les conseillers et les autres conseillers d'ailleurs qui sont venus un peu partout pour nous mën la fal Inch'Allah en 2019 tout ça va changer. mais Guédiawaye est-ce que vous avez non ce qui est clair moi les populations éveillées xam l'état central comme j'ai dit récemment on en a parlé de euh, du projet Promoville 14 milliards Là, c'est l'état central déjà le budget de la ville de Guédiawaye il l'a réduit en budget euh, de fonctionnement un budget d'investissement L'EP pratiquement il a fait un euh, recrutement bu Doywar avec une clientèle politique un un népotisme bu mais actuellement la ville de est pratiquement un budget d'investissement budget de c'est un budget de fonctionnement parce que tout simplement il gère ses arrières et il se sert de la ville pour un tremplin électoral et c'est ça qui est regrettable une ville, on ne euh, la gère pas pour s'en pour, servir pour un tremplin électoral. Et je te dis une chose, ce qui est clair, moi, bon, peut-être lui, en tant que petit frère du président, Motar, l'État central de FIDEF, le mais tant mieux pour les populations de Guédiouaï. Mais ce qui est clair, moi, comme j'ai dit et je le répète, au soir du 24 février, non seulement on va changer de président de la République en mettant le président Gakou à la tête de ce pays, mais élection locale, il y a une doomu Guédiawaye jël géejawaay defar géejawaay. dégguma non xam nga doomu géejawaay moom képp kuy doomu géejawaay te am ay ambition pour géejawaay war nga cee mën a bokk donc loolu yeggaguñ ci ce qui est mooy li ma la wax incha allahu rabbi élection locale yi di ñëw doomu géejawaay dina taxaw récupérer géejawaay defar géejawaay. di la sant déjà di la gërëm yow ci interview bi nga def. di remercier l'ensemble des populations de Guédiawaï et au-delà de Guédiawaï du Sénégal et euh, les populations qui sont au niveau de la diaspora di wax que képp ka nga xam ne nii pour changer Sénégal Qui koo xam ne gëm les valeurs yi nga xam incarnées les valeurs de l'homme sénégalais c'est jom fulla fit fayda ngor li nga xam ne ni dafa tumpuranke ci réew mi te grand parti di ko incarné ñu ngi lay ñaan non seulement nga rejoindre parti bi mais au soir du 24 février ñu fal président Gakou te gëm nañ ni le président Gakou va gagner ces élections là te ñun les jeunes de Guédiaway fofu lay jéxalé di wo ñëpp tous les jeunes de Guédiaway ñu xam ne seen doom ñu xam ne seen nijaay ñu xam ne seen grand frère moo dem à l'assaut du pouvoir te nag je sais que les gens de les populations de Guédiawaye principalement les jeunes portent une candidature au président Gakou tel li bientôt tous les jeunes de Guédiawaye mobilisés déterminés autour de leur oncle autour de leur grand frère pour déboulonner le pouvoir et mettre en place un pouvoir nouveau incarné par le président Gakou et son équipe je vous remercie